Thank <laughs> you. Chers euh, auditeurs, euh, bonsoir et bienvenue dans notre euh, émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. Les défis des aires protégées au Niger, quelle action de l'État Tel est le thème du forum de ce soir. Pays constitué à plus de 80% de sa superficie du Sahara et du Sahel, le Niger dispose d'une dizaine d'aires protégées qui font de lui l'un des plus grands pays des aires protégées du continent africain. On peut citer entre autres le parc national du W, la réserve biosphère de Gadbeji, les aires protégées de Tamou et de Dosso, la réserve naturelle nationale de Termite et de Tintouma et les réserves naturelles de l'Aïre et du Ténéré. Dans la première partie de ce forum, nous verrons les défis auxquels sont confrontées ces différentes aires protégées et la biodiversité au Niger. Et dans la seconde partie, nous analyserons les efforts de l'État et de ses partenaires pour y faire face. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité le lieutenant-colonel Hamissou Halilou Malam Garba, il est le directeur euh, adjoint de la faune, de la chasse et des aires protégées au ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Monsieur le directeur, euh, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième euh, invité est le représentant pays de l'Organisation française de protection de la nature, Noé Abdoulaye Harouna que nous avons en ligne au téléphone. L'ONG Noé qui est donc chargée de la gestion de la réserve de thermique et de Tintouma. Monsieur Abdoulaye Harouna, bonsoir. Bonsoir. Au micro pour la présentation de ce forum, je suis Michel Deji. Comme annoncé, débutant par les défis auxquels sont confrontées les différentes aires protégées et la biodiversité au Niger. Mais bien avant, le tenant colonel Hamid Garba, qu'est-ce qu'une aire protégée et quelle est la relation entre aires protégées et biodiversité hmm, Merci de l'occasion que vous nous offrez mhm. pour euh, parler euh, des aires protégées de mhm. manière générale et particulièrement celles que vous venez de citer mhm. et qui sont euh, en fait des heures protégées à vocation phonique. Euh, donc une aire protégée, c'est vraiment un espace qui a été euh, délimité, classé par l'État pour la conservation de la biodiversité, des mhm. ressources naturelles de manière générale. Et donc pour nous et pour les générations futures. Mhm. Et alors aujourd'hui, il faut le dire, Aujourd'hui, la biodiversité, l'essentiel de la biodiversité mmh. ne se retrouve que dans les aires protégées. Elle s'est retranchée dans les aires protégées compte tenu des mesures de protection que ces espaces euh, subissent. Mmh. Alors, euh, pour euh, vraiment répondre à votre question, je crois que le jeu vaut la chandelle. Mmh. Donc, c'est vraiment un espace qui est consacré, qui est dédié à la conservation de la biodiversité de manière globale. C'est donc un espace euh, qui est là pour protéger la biodiversité. Mais la biodiversité, c'est quoi quand on parle de la biodiversité La biodiversité, vraiment, c'est tout ce qui est espèce vivante dans ce monde-là. C'est ça, c'est vraiment un nom latin, biodiversité, donc la diversité euh, de la vie. Mmh. Et donc, euh, on peut, même si je ne m'abuse, même l'homme est un élément de la biodiversité. Mmh. Et donc, la biodiversité s'entend effectivement tout ce qui est espèce animal, végétal et je peux dire les écosystèmes, quoi. donc le milieu dans lequel ça évolue. Nous avons également en ligne le représentant pays de l'ONG Noé, Abdoulaye Haruna. Selon vous, quelle est l'importance euh, des aires protégées bon, euh, L'importance euh, des aires protégées et le fait que, vous le savez, en fait, aujourd'hui, la biodiversité, en particulier la faune sauvage, mais se trouve que dans ces espaces, il est partout ailleurs chassé. Euh, donc c'est le dernier refuge de la faune. C'est tout ce qui nous reste, quoi. C'est ça notre banque, si vous voulez, de la biodiversité. Mhm. Euh, c'est tout ce qu'on a à gérer. Donc euh, elles sont également importantes parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça permet au pays quand même d'être compétitif par rapport à la recherche de financement. Mhm. Le, le, Millennium Challenge Corporation que vous voyez au Niger, c'est parce que le Niger a classé en son temps 14% hein, de son territoire en air protégé. Hum. C'était un objectif du millénium. C'était en classant la réserve naturelle nationale de termites et Tintouma. Hum. Donc euh, ça, c'est pour vous donner juste quelques éléments de l'importance. La biodiversité, elle est importante parce que simplement, vous savez, du point de vue santé, 80% des produits qu'on consomme viennent de la faune sauvage ou de la flore. Mhm. Vous savez que, savez-vous que tous ceux qu'on essaie comme vaccins, on les essaie d'abord sur les primates, sur la faune sauvage avant de les utiliser sur les humains. Mhm. Savez-vous que c'est grâce à un crapaud du désert qu'on a fait avancer la médecine embryonnaire pour mhm. éviter la mortalité enfantine et maternelle Donc, la biodiversité, elle est importante également pour l'économie. Il y a beaucoup de pays qui ont de grosses économies grâce au tourisme sur la faune. C'est le cas de Kenya, etc. Le Niger peut, un jour arriver à cela quand il y a la sécurité. La vie de l'homme est impossible sur Terre sans cette biodiversité. La biodiversité, c'est un élément extrêmement important, n'est-ce pas, pour la vie de l'homme, simplement je le dirais. Voilà bah, ce que je peux dire. Abdoulaye Haruna, merci. Alors, euh, Monsieur Halilou, Madame Garba, quelles sont les différentes euh, catégories d'air protégées que nous avons au Niger Alors, euh, mhm. il y a l'UICN qui a classé les aires protégées en six catégories. Mhm. au Niger, parmi ces six catégories, nous avons une représentation de trois. Mhm. Alors si on revient à l'échelle euh, à l'échelle nationale, donc euh, selon ce que nous confère la loi 90-07 portant euh, régime de la chasse et protection de la faune sauvage, mhm. nous avons des parcs nationaux, nous avons des réserves naturelles, mhm nationale. Nous on avons les réserves de l'Aïr et du Ténéré. Oui, par ben là, là, je vais revenir sur le, mhm. chiffre, les catégories, vous, dites. Donc, mhm. le parc national est une catégorie. Mhm. Les réserves naturelles sont une catégorie. Les, euh, les réserves partielles de faune sont une demi-catégorie, mais catégorie des, une sous-catégorie, si on peut l'appeler, hein, mhm. des réserves. Mhm. Et ensuite, euh, les euh, réserves totales aussi de fonds sont aussi une autre sous-catégorie, donc mhm. catégorie des réserves. Et ensuite, les réserves naturelles intégrales. Voilà les trois catégories. Donc, en fonction de, de, leur euh, euh, appellation, en tout cas de leur classement, euh, correspond à un usage bien défini. Donc les parcs nationaux correspondent à une euh, catégorie 2 de l'UCN mhm. et les réserves intégrales, donc où on ne pratiquement on ne fait rien dedans mhm. que la conservation, surtout. Surtout, donc c'est une catégorie 1A ou 1B, ça peut, mhm. ça peut, ça dépend. De... Et ensuite, donc les autres catégories, c'est des réserves naturelles, c'est des catégories 4. Donc c'est pourquoi j'ai dit toute la catégorisation s'est fait, s'aligne à la catégorisation de l'UCN au niveau mondial. Mhm. Parce que si vous parlez de parc national, si vous parlez de réserve, euh, par exemple, selon que vous êtes nigérien, chinois, américain ou, français, mhm. euh, ça ne dit pas grand-chose. Mais quand vous dites que vous êtes euh, un gestionnaire d'une aire protégée de catégorie 1 mhm. ou 2 ou 3 ou 4, tout de suite, le gars voit à quoi il s'attend, à quel type de gestion, à quel type de réserve il s'attend. Et au plan national, euh, quelles sont les différentes aires protégées que ben, nous avons par catégorie Justement, au mm. plan national, nous avons neuf aires protégées. Mm-hmm. Neuf aires protégées qui font euh, environ à peu près 17 359 396 hectares, mm-hmm. soit euh, à peu près 173 593 hectares euh, km. Donc, qui fait à mhm. peu près 13,7% mhm. euh, du, territoire, national. Mhm. Alors, nous avons euh, dans ces aires protégées, à vocation phonique s'entend, hein, parce que j'avais déjà dit au début de l'émission, que j'avais défini les aires protégées. Nous avons, si vous voulez, plusieurs types d'air protégés qui sont classés sous le vocal air protégé. Air mm. protégé, comme on l'a dit, c'est vraiment un espace qui bénéficie des mesures de protection mm-hmm. répondant à un certain nombre de critères euh, d'utilisation. Mm-hmm. Alors, donc nous avons euh, en fonction, au niveau des aires protégées à vocation phonique, nous avons les parcs nationaux. Donc au Niger, on a qu'un seul parc national. Mhm. C'est le parc euh, du, W, qui est un parc régional partagé par le Bénin, le Burkina et le Niger. Effectivement, mhm. effectivement. Ensuite, nous avons la catégorie des réserves euh, naturelles. Mhm. Donc, nous avons trois la réserve naturelle nationale du l'Aïr et du Ténéré. la réserve naturelle nationale du Termite et Tintouma. la réserve naturelle nationale euh, de Kandaji. Mhm. Et puis maintenant, nous avons la catégorie des réserves totales de faune. Mhm. Nous avons la réserve totale de fonds de Gadebéji, la réserve totale de fonds de Tamou. Ensuite, nous avons la catégorie des réserves partielles. Donc, mhm. nous avons la réserve partielle de fonds de Dosso. Donc, nous avons la troisième ou quatrième catégorie, si on peut l'appeler, des réserves, les réserves intégrales ou sanctuaires. Donc, nous avons la réserve intégrale euh, des, ADAX, mhm. ou le sanctuaire des ADAX. Et ensuite, nous avons la réserve intégrale des hippopotames ou sanctuaire des hippopotames. Mhm. Maintenant, les autres, euh, vous avez appelé, vous avez parlé de réserve de biosphère. Mhm. Là, c'est une labellisation, c'est une autre catégorie, si vous voulez, d'air protégé qui ont le label international. Compte tenu de leur mode de gestion, de leur bonne gouvernance de gestion, l'État du Niger a soumis à l'UNESCO à travers donc son programme Man and Biosphere, donc sur le programme de l'homme et la biosphère qui désigne ces aires protégées. Et au Niger, nous avons trois types de, enfin trois euh, aires protégées qui sont classées euh, réserves de biosphère. L'UNESCO a, depuis 1996 euh, d'ailleurs, classé le parc national du W du Niger, créé en 1954 mhm. patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, un site est classé euh, euh, site patron mondial ou bien du patron mondial s'il mhm. si il a été reconnu au niveau de ce site qu'il a qu'il abrite ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle. Mhm. Et c'est quoi la valeur universelle exceptionnelle La VUE, comme on le dit. Mhm. C'est que euh, ces valeurs-là, c'est des éléments que le site a où il n'existe nulle part au monde. Alors, pour le parc W, il a d'abord été, comme vous l'avez dit, hein, euh, classé site du patrimoine mondial en 1996, euh, compte tenu de certains critères, hum. notamment donc euh, l'exceptionnalité de sa biodiversité, par exemple les, les, ressources. C'est un critère, c'est des, des, critères naturels, puisqu'il y a hum. deux, deux, types de, il y a des sites culturels, naturels ou mixtes. Donc mixtes qui sont en même temps culturels et naturels. Donc pour le W, il est naturel. Alors, compte tenu de ces valeurs-là universelles exceptionnelles qui sont composées d'attributs comme des éléments comme le lion, les éléphants, en tout cas la biodiversité mhm. et la beauté aussi du, enfin, le, milieu, si vous voulez, l'écosystème. Alors, l'importance, c'est que vraiment, en termes de tourisme, il y a des gens qui sont aujourd'hui à la recherche d'un tourisme scientifique, d'un tourisme vraiment, euh, je dirais, euh, de qualité. Mhm. Et donc ces gens, ils regardent, ces visiteurs-là, ils regardent des sites touristiques, enfin des sites qui sont sites du patrimoine mondial, qui sont bien du patrimoine, qui sont classés bien du patrimoine mondial, parce qu'ils savent qu'on est site du patrimoine mondial, pas au hasard. Mhm. Et donc, et ça engrange des flux touristiques. Et même au niveau de l'UNESCO, par exemple, au niveau de l'humanité, c'est mhm. quoi en fait L'objectif même, c'est d'attirer l'attention des communauté, des populations, des, en tout cas des scientifiques, de tout le monde, mhm. de, l'humanité, si vous voulez, mhm. de l'importance que revêt ce site pour l'humanité. Merci à vous, monsieur le directeur. Nous avons également en ligne monsieur Abdoulaye Harouna, représentant pays de l'ONG Noé, une ONG chargée de la gestion de la réserve de termites et de Tintouma. Selon vous, quels sont aujourd'hui les grands défis qui se posent euh, à la gestion des aires protégées et de la biodiversité au Niger euh, Merci. La question de la sécurité, la question du manque de financement, la question euh, de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance à l'intérieur même de gestion de ces aires protégées. Je pense que c'est ça euh, le, vrai problème, le vrai défi à relever, c'est vraiment de, ces trois ordres-là. Hmm. Donc c'est le cas du W, vous avez vu sécurité quand même à ce niveau. Euh, le cas de la RTNR on parlera toujours d'insécurité. Le, euh, cas de, la RNTT, même la Réserve naturelle nationale des est une avec tout ce qu'il y a comme trafic. Le cas de la réserve du pot, euh, donc c'est également ça, donc la zone de Kandaji, c'est également la même situation. L'insécurité est, je pense, un défi majeur pour moi et dans un premier temps. Mm-hmm. Monsieur Hamissou Halilou Malam Garba, directeur adjoint de la faune, de la chasse et des aires euh, protégées au ministère euh, en charge de l'environnement. Avez-vous fait le même constat par rapport à ces défis Il parle de défis euh, en lien avec l'insécurité dans les zones des aires protégées, problèmes de financement, mais également de gestion. Merci. Mieux, moi je pense que je vais aller un peu plus loin, mhm. parce que là c'est elle a juste touché, euh, effleuré, je dirais, le problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'insécurité qui nous assaille le plus, qui nous préoccupe le plus au niveau de certaines aires protégées, il faut le préciser, pas toutes. Et c'est compte tenu de la situation sécuritaire aussi que vit le Niger. Mhm. Alors, au-delà de ce problème d'insécurité, il y a les problèmes, je dirais, traditionnels qu'on connaît au mhm. niveau des aires protégées. C'est le braconnage, mhm. c'est le pâturage illégal, c'est l'avancée du front agricole, c'est euh, leur paillage euh, artisanal, c'est euh, les changements climatiques. et ensuite, bon, vient évidemment le, nerf de la guerre, comme on le dit, le financement mm. durable. Est-ce que parmi les espèces vivantes dans ces espaces, euh, certaines sont menacées d'extinction à cause justement de ces défis que vous venez d'énumérer Beaucoup parlent de la Dax, euh, par exemple. Qui dit effectivement défi dit effectivement problème par après. Mhm. Effectivement, pour euh, ne prendre que ce cas, euh, la DAX, c'est vrai qu'on connaît un peu les défis liés au braconnage mhm. qui sont aujourd'hui en train de le menacer, mais également l'autre défi qui est euh, lié au changement climatique puisque euh, avec tout ce qu'on connaît à un moment donné, c'est une espèce, c'est vrai, désertique, mhm. souvent qui s'en fiche des, de l'eau ou de certaines, de certaines ressources. Mais effectivement, il y a des espèces végétales avec lesquelles elle vit, mais qui sont, compte tenu de des difficultés liées au changement climatique sont en train de, partir. Il y a effectivement aussi euh, les changements climatiques. Là où il doit pleuvoir peu, il pleut beaucoup. Et là où il doit pleuvoir beaucoup, il pleut moins. Ainsi de suite. Donc toute cette irrégularité euh, climatique fait en sorte que la faune euh, en pâtit. Maintenant, au niveau, par exemple, des défis liés à euh, par exemple, le, braconnage, mhm. c'est que les gens ont tendance à vouloir considérer comme la, faune comme étant un gibier. Mhm. Et même si c'est un gibier, c'est pas dans tous les cas. C'est pas, il y a des conditions euh, que la loi a autorisées ou a, organisées pour mhm. pouvoir considérer la faune comme un gibier. Alors, euh, par conséquent, on ne chasse pas, on ne braconne pas, on ne l'exploite pas comme on veut. Hmm. Il y a un minimum qu'on doit respecter. Et donc, euh, c'est pourquoi, effectivement, euh, la, le braconnage constitue aussi un des défis majeurs qu'il hmm. faut relever au niveau des nerfs protégés. Maintenant, bon, je vous ai parlé, par exemple, du pâturage illégal. En ce qui concerne le parc W, c'est l'une des thématiques euh, centrales. Hmm. Mais pâturage illégal parce que pourquoi Parce que le parc étant un espace protégé et par conséquent, il doit être déduit de toute forme d'exploitation illégal qui n'est pas autorisé. Et le mhm. pâturage, euh, avec euh, ce que ça peut entraîner entre euh, la faune sauvage et la faune domestique, notamment les zoonoses, donc c'est des choses qu'il faut, en tout cas, voir comment il faut gérer. Et c'est pourquoi les, des importeurs comme le parc sont soustraits ou sont soustraites mhm. à ce genre d'exploitation. Merci. Abdoulaye Haguna, représentant de l'ONG Noé, l'ONG qui est chargée de la gestion de la réserve de termites et de Tintouma. Existe-t-il euh, d'autres défis selon vous Ce que je veux dire, si vous avez la solution par rapport à la sécurité, au financement et à la bonne gouvernance, vous avez la solution donc aux autres défis qui sont mineurs par rapport aux défis que je viens de citer. C'est pour ça, pour moi, la sécurité laisse l'élément majeur dont il faut lutter. Et je dis bien que nous avons cette opportunité aujourd'hui euh, avec euh, un chef d'État qui est vraiment engagé dans la lutte contre l'insécurité là où elle se trouve. Ensuite, et si vous voulez, il faut absolument repenser notre façon aussi de gérer les aires protégées. Il faut absolument une gestion participative, impliquer la communauté locale. Ils vivent depuis tout le temps, depuis la nuit des temps, avec les ressources naturelles. C'est des hommes de la, des ressources naturelles, c'est des hommes de l'écosystème. Ils grandissent là, ils sont nés là, ils meurent là, ils connaissent plus que quiconque, plus que toute autre théorie scientifique, ils connaissent cet environnement mieux que nous. Il faut qu'ils soient sincèrement impliqués. Il ne s'agit pas juste de les appeler ponctuellement pour leur faire des appuis et des aides. Non, il faut qu'ils sentent que ces ressources les appartiennent. Il faut que leurs fils, n'est-ce pas, et filles du terroir participent à la gestion. La question de la sécurité est l'élément essentiel. On ne peut pas lutter contre le braconnage tant qu'on n'élimine pas l'insécurité. On ne peut rien faire en réalité sans qu'il y ait la paix. Donc le fondement de tout, c'est la paix. C'est le plus gros défi que le Niger aujourd'hui fait face. les autres éléments c'est des éléments, en fait, depuis toujours, avec lesquels on a vécu, euh, en fait, la lutte contre le braconnage. Mais d'abord, il faut maintenant régler la question de la sécurité. C'est urgent pour la faune, c'est urgent pour la biodiversité. Ensuite, il faut de l'argent, comme je le dis. Il faut trouver des systèmes acceptés par les bailleurs de fonds. C'est pour cela que, par exemple, Noé a proposé la gestion déléguée. Aujourd'hui, qui marche partout en Afrique centrale, et, de par le monde aujourd'hui, c'est le type de gestion le plus financé des bailleurs de fonds. Et nous avons vu que même le W s'est glissé vers la gestion déléguée. Aujourd'hui, elle est finalement acceptée. Donc, c'est important. Vous avez entendu la vidéo du président de la République faisant témoignage sur les premiers résultats de la gestion déléguée de la RNTT. Donc, c'est le grand témoin, ça. C'est extrêmement important. Je me rappelle encore de Madame la ministre, de ses propos, de son engagement, de son élan lors du Congrès mondial de la nature par rapport justement à ces défis-là. Donc c'est important, je pense, d'abord d'arriver à résoudre ces problèmes sécuritaires, à installer des systèmes, n'est-ce pas, de financement durable, n'est-ce pas, en fait, euh, euh, euh, convaincants, des systèmes convaincants vis à -vis des bailleurs de fonds. Il faut savoir vendre justement ce qu'on a les ressources, les, ressources naturelles qu'on a. On a parlé des adax, on a, il y a bien d'autres, la gazelle d'Ama, qui est aujourd'hui emblématique, qui a donné son nom à l'équipe nationale et à toutes nos équipes sportives. Donc c'est important. Il y a le, guépard du Sahara, etc., pour ne citer que cela. Hum. Donc, et ensuite, la question de la bonne gouvernance. Il faut une bonne gouvernance. On ne peut rien faire sans qu'il y ait une bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait de la transparence au niveau même de la gestion des aires protégées. Quand vous parlez de bonne gouvernance, vous avez dit qu'il faut impliquer la population. Est-ce que c'est ce que vous faites, vous, déjà, au niveau de la gestion de la réserve de termites euh, et de Tintouma Par exemple, on a un comité consultatif local de gestion qui réunit tout le monde, tous les ans. Donc, et, c'est les maires, les élus locaux, les députés, donc, et, la communauté locale, il y a aussi les leaders d'opinion. Donc, chacun vient il expose les problèmes de sa communauté. Il est écouté. Les problèmes sont enregistrés, ensuite transmis au niveau du conseil d'administration de la délégation de gestion, n'est-ce pas, qui les met en œuvre. Donc, et finalement, la population, elle est satisfaite parce que simplement, c'est ce que la souhaité qui s'est passé, tout est fait avec eux. comme je le disais, la devise de Mahatma Gandhi, écoutez, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. On fait tout avec la population locale. Elle est au niveau de, la patrie, en tant qu'éco-garde. On a plein des agents communautaires, ici des communautés, qui font le plus à plus, qui font l'Internet pastoral pour la sensibilisation, l'information des populations. Ils, ils sentent que c'est leur réserve. Écoutez, quand il y a eu les problèmes de pétrole entre les pétroliers et la réserve, le premier à intervenir, c'est la communauté locale parce qu'elle sait que c'est ses ressources qui sont en jeu. Donc la question de l'ADAX, aujourd'hui, qui suit les ADAX C'est la communauté locale, c'est nos athées qui font le suivi permanent des ADAX parce qu'ils savent que c'est une ressource qui leur revient, qui les appartient. Ils ne disent pas votre forme, ils disent notre forme, notre ADAX. Et cette capacité de démontrer une certaine appartenance vraiment est émerveillante. Et, c'est ça, qui montre qu'il y a une bonne gouvernance aujourd'hui. N'importe qui de la réserve de Termit quand vous lui demandez ce qui se passe dans la réserve, doit être à mesure de le dire. Monsieur le directeur euh, adjoint de la faune, de la chasse et des aires euh, protégées au ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, il revient sur l'aspect gestion, c'est-à-dire estime qu'il faut une gestion qui implique les populations. Est-ce que vous partagez ce point de vue euh, Oui, tout à fait. Mais je voulais, avant de rebondir sur votre question, je suis désolé de de dire que quand même on ne peut pas. L'insécurité, c'est même un aspect récent. Mm. Avant l'insécurité, nous avons des aires protégées et il y avait en dehors des aires protégées à vocation phonique, il y a les forêts classées, les forêts domaniales. ben aujourd'hui, euh, c'est gestion parce que la gestion manque le système de gestion euh, approprié, ne suit pas. C'est pourquoi ça s'est mhm. dégradé avant l'avènement de l'insécurité qui est récent. Et mhm. donc le braconnage, j'ai dit et je le maintiens. Ça a toujours existé. Et il estime que c'est des problèmes traditionnels qui ont toujours existé. Non, on ne peut pas sous-estimer le braconnage. Mhm. On ne peut pas sous-estimer le pâturage illégal. On ne peut pas sous-estimer aujourd'hui autant l'insécurité, mais l'exploitation minière ou l'exploitation artisanale mhm. des aires protégées. Ça, c'est, on ne peut pas, si, si on ne le dit pas, c'est méconnaître c'est quoi la gestion des données protégées. Mhm. Aujourd'hui, il y a même un lien entre euh, l'insécurité et leur parage illégal. Quand vous regardez aujourd'hui, autant au sud, le biome sud du Niger, constitué de, de, de, W, de Tamou, de euh, Dosso, réseau de Dosso, s'entend, il y a cette exploitation, notamment au niveau de Tamou, qui est en train de gangréner pratiquement tout le système de gestion des aires protégées. Mhm. Et c'est une porte d'entrée à cette histoire de terrorisme, à cette histoire de, de djihadisme ou que sais-je encore. Donc, s'il y a un trait d'union, un lien mm. avec ces, Et au niveau du Nord, dont il disait, non, au Nord, aujourd'hui, Dieu merci, vraiment en ce qui concerne les aires protégées, il n'y a pas d'insécurité. En tout cas, jusqu'à preuve contraire, moi, je peux supposer que euh, la réserve naturelle est l'une des, des, réserves les plus sûres aujourd'hui au Niger, de l'Aïr et du Ténéré. Mm. Parce que, mais seulement l'autre aspect qui gangrène cette réserve, c'est paillage illégal elle est en train d'être assaillie par les ailleurs Et donc ça, c'est comment, euh, pour un gestionnaire, on, ne peut pas me dire que c'est anodin. Alors, on a fait cas, on a parlé de, la Dama, de la fameuse gazelle Dama, qui est l'emblème de l'équipe nationale, des équipes nationales sportives du Niger. Aujourd'hui, autant au niveau du Termite Ntouma, il y a aussi euh, une population relique au niveau de cette réserve de, l'arrêt du Ténéré, et, mais malheureusement qui risque d'être impacté par l'exploitation illégale des ressources naturelles, notamment l'exploitation minière. Mmh. Donc je, on ne peut pas me dire aujourd'hui que c'est des problèmes anodins. Non, je suis vraiment désolé. Et alors, je voulais aussi rebondir. Par au je, je n'ai pas de la paix dans les zones où il y a l'impact euh, justement de l'insécurité, est-ce que le retour euh, de la paix ne peut pas contribuer, de votre point de vue, à euh, assurer une meilleure protection de ces aires protégées J'en arrive. J'ai pas fini. L'autre aspect qu'il a évoqué de, de parler de délégation de gestion, on connaît les délégations de gestion qui est un système d'exploitation ou de gestion des aires protégées qui est en vogue. Mais le W jusqu'à preuve contraire n'est pas encore sous délégation de gestion. Mhm. Nous sommes en train d'étudier, de faire une étude de faisabilité pour identifier le système qui sait, le système de gestion qui sait. Et mhm. donc, euh, ce n'est pas encore le système de Mais on est allé, on est en train d'aller vers ce qu'on appelle le PPP, donc le partenariat public-privé, et où effectivement les communautés locales sont au centre de ce, de, ce système-là. Mhm. Alors pour revenir à votre question, effectivement, nous, au sortir des accords de, de, de, de paix du 24 avril 91, euh, 95. Mais aujourd'hui, au niveau de la RENAT, par exemple, la Réserve naturelle nationale de la de Ténéré, nous utilisons ces anciens ex-combattants-là comme guides ou comme, euh, euh, comment on appelle ça là, comme éco mmh. dans la gestion. C'est pour dire effectivement qu'ils ont internalisé, ils ont compris effectivement que ces ressources sont protégées pour eux et pas pour quelqu'un d'autre. Et donc, par conséquent, il joue le jeu. Je vous m'en vais vous, pour preuve, un des chefs de front, et à chaque fois, quel qu'en soit ce qu'elle fait, si on a une mission dans la zone, il met ça de côté pour effectivement nous accompagner et nous euh, aider, mhm. à nous guider euh, dans, dans, dans, ces zones, parce que c'est un milieu dans lequel ils ont évolué, ils ont, qui était à un moment donné infesté, mais qui aujourd'hui est en train d'être déminé et tout. Et donc, je crois qu'ils maîtrisent parfaitement euh, euh, le milieu au point où vraiment, si on est avec eux, on est tranquille, on ne craint rien. Et même s'il y a l'insécurité résiduelle dont on parle, tous les petits bandits, même s'il y a ces, ces, c'est que dès qu'ils entendent qu'on est dans la zone, les gens quittent parce qu'ils savent euh, avec qui on est. Mhm. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est ça qu'il faut, de ça qu'il faut parler. Ça veut dire que vous impliquez la population dans la gestion de ces aires protégées Oui, mais tout naturellement. Mhm. Parce que quand vous regardez, d'ailleurs, c'est méconnaître, si, vous, si on dit ça, c'est méconnaître le système ou le processus de création d'une aire protégée. La loi le dit, la loi confère. D'abord, quand vous identifiez une aire protégée, pour la classer, il faut qu'il y ait le désiderata de, la communauté. Il faut que c'est la communauté qui définit en mhm. fait le type de projet qu'ils veulent. Sinon, ce n'est pas possible. Mhm. Et on a vu, on est, on, est parti. Euh, l'exemple de la zone girafe, par exemple, on voulait classer la zone girafe, euh, mais euh, effectivement, il fallait l'accompagnement des communautés. Il faut que on trouve un système qui sait à la communauté. Mhm. Et donc, si la communauté n'est pas d'accord avec le type des projet que nous voulons, eh bien, on ne va même pas, puisqu'il y a des audiences publiques qui se font, et c'est à l'issue de ces audiences publiques, au niveau régional et au niveau national, mhm. et à l'issue de ces travaux-là, qu'on soumet, qu'on fait le projet de texte et qui va être soumis au gouvernement mhm. pour adoption au décret de classement. Donc, par conséquent, les communautés locales sont au cœur de la conservation, au cœur de la gestion. Mais souvent, compte tenu souvent de certaines méconnaissances en termes techniques, de, ils ont leurs connaissances empiriques, ils ont leurs connaissances endogènes, mais souvent les gestionnaires font des petites erreurs en les mettant de temps en temps euh, au banc. Mais sinon, pour un bon conservateur, il doit c'est une donne avec laquelle il faut aller, il faut tenir compte. C'est donc cette euh, démarche qui a été recommandée par Abdoulaye Harouna, représentant de l'ONG Noé, l'ONG qui est chargée de la gestion de la réserve de termites de Tentouma. Place à présent à la deuxième et dernière partie de ce forum ayant pour thème les défis des aires protégées au Niger. Quelle action de l'État et c'est pour parler des efforts de l'État et de ses partenaires pour relever les défis qui se posent dans le cadre de la protection des aires protégées du pays et de sa biodiversité. Donc, Monsieur Abdoulaye Haruna, représentant de l'ONG Noé, l'ONG chargée de la gestion de la réserve de termites et de Tuntuma, à votre niveau, quelles sont les actions d'accompagnement de la politique nationale de protection des aires protégées et de la biodiversité du gouvernement Déjà, le fait que l'État a accepté de créer ces aires protégées, c'est une très bonne chose. Vous savez, on a une stratégie nationale de la conservation de la biodiversité mhm. qui est impendant du plan national de développement durable. le plan national de l'environnement pour un développement durable, le mhm. PNEDD, et qui a été élaboré à plusieurs fois, d'ailleurs revisité. Cette stratégie de conservation montre de doigts ce qu'il faut faire pour sauver la biodiversité de ce pays-là. Et l'État est en plein dedans. Donc l'État en plein dedans, il est en train d'essayer beaucoup de choses, notamment, comme je l'ai dit, la délégation de gestion. L'État apporte beaucoup de soutien, notamment la mise à disponibilité des agents de l'État. On a jusqu'à 53 forestiers, par exemple, pour euh, la RNTT. C'est quand même beaucoup pour lutter justement contre ce que le directeur adjoint a dit, contre le, braconnage hum. et bien d'autres activités de développement local. C'est hum. Ce qu'il faut, il faut absolument, absolument, les mesures d'accompagnement doivent se faire dans le cadre de la conciliation, de la conservation et du développement. Tant qu'il n'y a pas, l'État n'appuie pas les communautés qui vivent autour et à l'intérieur des réserves pour entamer leur développement de type endogène. Je précise bien de type endogène. Ce n'est pas un développement importé. C'est-à-dire en les appuyant, en les actions déjà qu'elles développent, qui ne touchent pas à la naturalité du milieu. Alors on aurait bien fait. L'État doit appuyer absolument les partenaires qui sont déjà sur là, n'est-ce pas, à, n'est-ce pas, à les, aider à concilier développement et conservation. Il ne faut pas oublier la communauté locale. C'est tout ce que je veux dire. Le directeur adjoint de la faune de la chasse et des aires protégées dit que c'est ce qui est fait déjà, l'implication des populations. Il faut que ça soit profond. Hein. Ce que nous disons, il faut que ça soit profond. Écoutez, si la communauté locale, par exemple, je vous donne un exemple. Vous savez-vous qu'au niveau de la réserve des de Tintouma, c'est la population qui attrape souvent des braconniers pour les remettre à l'autorité parce qu'ils ont vu déjà gens venir, n'est-ce pas, saboter je suis d'accord, par exemple, au niveau des cours, ça évolue un peu par ça, mais il faut renforcer ça. C'est insuffisant, c'est un constat que l'ICN a fait à travers une réunion qu'elle a organisée avec les gestionnaires des et réserves. Mmh. Donc, c'est clair. Et c'est une réalité. Le développement local, on ne peut pas le faire. Est-ce que nous sommes développés déjà ces communautés On est sur la voie, il faut renforcer. Je suis d'accord avec lui si ça a commencé ailleurs. Dans, le cas des Gardéji, je pense bien qu'il a eu des actions très concrètes, mais dans le cas, il y a des, endroits où ça a commencé, mais ça n'a pas été développé. Mmh. Peut-être mal initié, donc, mais dans tous les cas de figure, concilier développement local et conservation, c'est ça qui est d'actualité. C'est de ça que les barres de fond nous ont parlé, même au Congrès mondial. C'est parce que c'est un souci. Il faut qu'on le garde comme un souci principal. Là où ce n'est pas bien fait, il faut bien le faire maintenant. Parce que, vous savez, chez nous, on dit en langue, euh, celui qui est le propriétaire de la chambre, c'est là où ça soigne. Tu ne peux pas venir lui apporter juste des actions de développement, peut-être qu'il ne concorde pas avec ses souhaits, et penser que toi, tu l'as aidé. C'est pour ça que je parle du développement du type endogène. Les activités dans lesquelles les gens sont en train déjà de, vivre avec, il faut absolument les appuyer dans ce sens-là. Et, ça, c'est important. Nous avons vu vraiment le cas de l'engagement des populations. Pensez-vous que si vraiment les choses sont faites partout, que ces mêmes populations viendront braconner, que ces mêmes populations vont mettre des vaches et autres pour faire le pâturage illégal, moi, je pense qu'il faut redoubler. Je ne dis pas que l'État n'a rien fait. Hein. C'est très différent. tout comme je ne dis pas que le braconnage n'est pas un problème. Mais j'ai dit qu'il y a des choses supérieures encore qui nous empêchent de, réussir et je les ai citées. Donc mhm. il faut redoubler d'efforts. Il, faut, redoubler d'efforts, il faut pas il ne faut pas s'arrêter. Il reconnaît que le gouvernement a fait beaucoup de choses, mais il insiste, beaucoup reste à faire. Monsieur le directeur adjoint de la faune de la chasse et des aires protégées au ministère euh, de l'Environnement, il parle d'efforts euh, à fournir encore, euh, vous oui. convenez Oui, mais je pense qu'il faut éclairer la lanterne de Abdoulaye. Mhm. depuis, depuis pratiquement 2002, on a commencé à impliquer les communautés en faisant d'elles des écogardes mhm. euh, au niveau de la région du W. Mhm. Les écogardes qui accompagnent Dans beaucoup de localités, ça se fait, il le dit, mais il estime que la population n'est pas toujours suffisamment sensibilisée parce que c'est difficile d'atteindre euh, tout le monde. Euh, par exemple, on a parlé du braconnage. Il dit pourquoi des gens continuent à faire du braconnage s'ils sont suffisamment sensibles. Le braconnage dans aucune aire protégée, même en Afrique du Sud, zéro braconnage, c'est pas évident, c'est pas mhm. possible. Mais il y a, on peut le gérer il y a le pâturage illégal. Le, pâturage illégal, les gens font du pâturage. Ce n'est pas souvent les communautés locales. Mhm. C'est des contrées qui viennent d'ailleurs. Mhm. Les communautés locales, ils font l'élevage de cases ou souvent ils font. Mais pourquoi ils acceptent C'est les transhumants. D'autres, c'est-à-dire les transhumants viennent. On ne peut pas se mettre derrière mhm. chaque vache ou chaque transhumant pour pouvoir le bloquer. Et tout le monde connaît. Rien que au niveau local, quand vous prenez l'exemple du conflit euh, agriculteur-éleveur, ça fait qu'à plus forte vous, vous euh, circonscrivez mm. une zone et mm. vous faites d'elle une, réserve. Et c'est bien, bien évidemment, les gens vont être tentés de, rentrer dedans. Mm. On a dit que si vous voulez que les gens fassent quelque chose, il faut intégrer la chose vous allez voir que les gens, il y a toujours des adeptes de, des anarchistes. Mm. Mais sinon, c'est vraiment souvent des gens qui viennent de contrées lointaines pour, mm-hmm. qui, font euh, ces incursions au niveau des aires protégées. Beaucoup d'espèces sont victimes de braconnage. Oh. Que faites-vous dans ce sens alors euh, pour euh, les protéger Ben, il y a le traditionnel travail du gestionnaire des aires protégées. Vous savez que chaque aire protégée à ce qu'on appelle une unité de gestion, mhm. une UGAP. Et au niveau de cette unité de gestion, il y a un certain nombre d'acteurs, donc notamment ceux qui s'occupent de la lutte anti-braconnage, ceux qui s'occupent euh, des entrées touristiques, ceux qui s'occupent même de la, du partenariat entre les communautés et les gestionnaires, ou entre, en tout cas, euh, services relations euh, gestionnaires et, les autres partenaires. Donc, mhm. il y a toute cette organisation qui travaille et qui se met à la euh, disposition de la conservation. Donc, mm. par conséquent, au niveau des nerfs protégés, pour lutter contre ces actes illégaux, il y a ce qu'on appelle euh, des structures ou en tout cas des services qui sont pour la lutte contre le braconnage, donc pour la protection et la surveillance. Et c'est à cela, effectivement, que constituent les tâches fondamentales d'un gestionnaire euh, d'une aire protégée. Donc c'est la lutte anti-braconnage. Quelle qu'en soit la sensibilisation qu'on va faire, quelle qu'en soit, évidemment la sensibilisation c'est un travail de longue haleine. Donc zéro braconnage, on n'en pas. Mais on va euh, réduire un temps soit, peu mm. cette euh, activité illégale pour mm-hmm. pouvoir vraiment gérer l'espace. C'est ça. C'est ça les, principales tâches du, gestionnaire. Monsieur Abdoulaye Hagouna, représentant de l'ONG Noé, chargé de la gestion de la réserve de termites et de tentuma, que faites-vous à votre niveau pour porter à la connaissance de la population les espèces euh, protégées, aussi bien terrestres euh, qu'aquatiques c'est d'abord les laisser comprendre que c'est vraiment leur ressource. Hum. C'est extrêmement important. Ça fait mal, mais c'est comme ça il faut, il faut leur concéder le fait qu'avant que ça ne soit pour l'État ou pour quelqu'un, c'est d'abord leur ressource parce qu'ils vivent avec tous les jours. Aujourd'hui, chacun prie individuellement, c'est qu'un seul ADAC tué, c'est quand même une perte pour l'humanité parce que vous savez, c'est la dernière population du monde viable à l'état naturel mhm. et de, des adaptes qui se trouvent dans ce, dans ce Tintouma-là. Et à l'heure actuelle, les braconnages sur les adaptes sont effectués par l'insécurité, par les trafiquants des armes et des drogues. Et c'est pour ça que je place l'insécurité en tête. Vous voyez un peu ce de quoi je parle. Vous ne pouvez pas, justement, n'est-ce pas, sans l'implication totale de la population, pour qu'au moins euh, ils fassent euh, une sorte de, d'avant-garde, une sorte de bouclier contre le braconnage, n'est-ce pas, et, on ne peut pas arriver à sa fin. Il faudrait donc les, les sensibiliser, ils sont sensibilisés, il faut continuer maintenant à les aider dans ce qui leur permet de vivre. C'est ça le développement local. Les appuyer dans tout ce qui peut construire l'hydraulique pastorale, les puits pastoraux qu'on fait. Ça permet aujourd'hui, il y a des contrats terroirs qui disent à la population, vous ne devez pas aller à l'est du massif pour vous installer, on laisse ça au pâturage. C'est une zone de pâturage. Je me rappelle encore, excusez-moi de le citer, parce que des actions concrètes qui ont été faites, le président de la République avait même, à ce temps, il était ministre de l'Intérieur, comme il est parrain de la réserve, c'est pour ça que je parle de lui en fait. Donc il avait, il avait dit à la communauté, on a signé ces contrats tous ensemble, pas de à l'Est, parce que dès que vous faites de vous allez vous enseigner. Et je vous jure que c'est respecté. Merci. Pour terminer, monsieur le directeur, mhm. on vous a bien compris, monsieur le directeur adjoint de la faune de la chasse et des aires protégées. Pour terminer ce forum, quelles sont les perspectives dans le cadre d'une protection des aires protégées et de la biodiversité au Niger Oui, les perspectives, euh, c'est vraiment la poursuite de nos tâches régaliennes, mhm. notamment euh, à travers euh, maintenant la mise en place d'un système, d'un mécanisme de financement durable mhm. et lutter aussi vraiment contre l'exploitation minière anarchique parce qu'aujourd'hui, on a compris que avec les petites tentatives de découverte des minéraux, je crois que les aires protégées sont assaillies par euh, en tout cas les, populations pour euh, effectivement exploiter et de manière. Donc je pense qu'on va mettre le focus et aussi donc notre euh, traditionnelle tâche qui est donc la lutte anti-braconnage pour la sauvegarde de la biodiversité mhm. pour laquelle ces espaces ont été créés. Je mhm. pense que de manière globale, une fois qu'on a euh, ces différentes euh, actions-là. Je crois qu'on peut, un temps soit peu, garder toujours euh, donc ces refuges des aires protégées, enfin de, de, la faune que constituent les aires protégées. Quels sont les partenaires qui vous accompagnent dans ces actions Ben les partenaires, c'est ça dépend des, régions. Donc il y a, si vous voulez, toute la communauté, je dirais scientifique mhm. internationale et les partenaires, les ONG, mhm. comme euh, Noé, la GIZ par exemple, mhm. au niveau euh, de, du biome sud, donc au niveau mhm. du parc W. Euh, il y a ensuite l'Union européenne qui a beaucoup longtemps soutenu euh, les, je peux même dire que c'est l'une des, structures, ou en tout cas l'une des organisations qui ont appuyé. Il y a l'UICN, bien entendu, qui accompagne sur les aspects scientifiques, les aspects, même au niveau des financements. Il y a l'UNESCO, hein, euh, à travers ses différents programmes, patrimoine mondial, euh, réserve de biosphère. Merci. que sais-je encore. Chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème les défis des aires protégées au Niger, quelle action de l'État. Nous étions en compagnie du lieutenant-colonel euh, Hamissou Halilou Malam Garba. Il est le directeur euh, adjoint de la faune, de la chasse et des aires protégées au ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Et M. Abdoulaye Haruna, il est le représentant de l'ONG Noé, l'ONG qui est chargée de la gestion de la réserve de termites et de Merci d'avoir répondu à nos questions, chers invités. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir euh, suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation de ce forum à la réalisation technique euh, Issa Loli. Rendez-vous demain à la même heure pour suivre un autre forum du studio Kalangu. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.